2023. Chers auditeurs du studio Kalango, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalango. Je suis Samira Wafi et aujourd'hui je suis avec euh, Fanta Shamsou. Fanta, bonjour. Bonjour Mira, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Super. Alors, on n'oublie pas de faire aussi un coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitre. La technique est assurée par Saini Isaka et Adam Dawaki à l'édition. Alors Mira, dis-moi, quel est le programme du jour pour commencer, Fanta, nous allons faire un tour de l'actualité avec le flash d'information et puis dans la rubrique hebdomadaire, nous aborderons la question du droit à l'image. Ensuite, direction d'Osso pour l'écho des régions. Il y aura également le loti et la culture linguistique. Et dans la partie entretien de cette émission, nous serons avec Hajaratou Moukela Goumandokoy, styliste et décoratrice d'intérieur. Alors, chers auditeurs, c'est parti pour une heure de programme. Tout de suite, euh, le flash d'information présenté par Mokhtar Hamad. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Samira Rouafi, bonjour euh, Fanta Chamsou. le flash d'information de ce lundi à présent la finale de la 48e édition de la Coupe nationale s'est disputée ce 10 juin devant le chef de l'État, Bazoum Mohamed, entre l'association sportive de la douane du Niger et l'association sportive de la garde nationale du Niger. L'équipe de la garde nationale remporte la Coupe nationale après une séance de tir au but menée au score de 5 à 4. Cette séance intervient après un, un score d'un but partout à la fin du temps réglementaire. Les éléments des forces de défense et de sécurité ont appréhendé vendredi aux environs de 18h des hommes lourdement armés à bord de huit véhicules. Ils ont attaqué la position de Tabarkat, site minier au nord-est d'Arlita. Une information communiquée par l'état-major des armées en date du samedi 10 juin 2023. Selon l'armée, la réaction énergique des forces présentes a permis de repousser l'attaque et engager une poursuite des assaillants qui ont finalement pu s'exfiltrer vers le nord. Le bilan côté ami est d'une Toyota endommagée. Du côté ennemi, trois corps laissés sur place, quatre Toyota récupérés, dont une calcinée et des armes lourdes et munitions récupérées. La plateforme paysanne du Niger exhorte le président de la République Bazoum Mohamed à travailler dans le sens de rendre disponibles et accessibles les engrais au profit des producteurs agricoles qui se préparent à entamer la campagne agricole. C'était à l'issue d'une audience que le chef de l'État a accordé à la délégation de ce cadre fédérateur d'organisation agro-silvo-pastorale. C'est tout pour le flash d'information de ce lundi 12 juin, passé d'agréables moments en compagnie de nos collègues. Merci beaucoup, Mokhtar. Chers auditeurs, dans un instant, nous allons retrouver Hajero Tumunkela Goumandakoy. Elle est styliste et décoratrice d'intérieur. Son diplôme, elle a obtenu au Kenya. Elle est également la promotrice de sa propre marque et fondatrice d'une école de métier à Maradi. Exactement. Mais avant Fanta, nous allons écouter le titre Mougou Magani de Ali Jubo. Il raconte l'histoire d'un ivrogne dont la vie a été balayée par la bouteille. Henri est né le 9 mars 1949 à Birninkoni, dans la région d'Ottawa. Il a rejoint son premier groupe musical, l'Amical de en 1972. Deux ans plus tard, il se retrouve dans un groupe des élèves de l'école normale de Zender appelé les ambassadeurs du Sahel. Mais les ambassadeurs du Sahel n'ont pas fait long feu et se séparent en 1976. Puis Ali Jibo créa l'orchestre Caravane avec un nouveau style musical. Il a été le premier chef d'orchestre à créer des, arrangements modernes, des mélodies et des rythmes traditionnels Hausa et Zarma. Exactement, Fanta. Le groupe organisait des concerts à Niamey, quelques tournées au Niger et se produit sur la radio, notamment La Voix du Sahel, la radio nationale. La, plus, euh, la, plupart des membres du groupe étaient des fonctionnaires. Ali Jubo lui, travaillait au ministère de la Communication. Malheureusement, Ali Jubo s'est éteint en 2007 et son seul héritage enregistré sont les performances captées par la radio nationale. Le plus célèbre d'entre eux est ce son que nous sommes en train d'écouter en ce moment, Mugu Magani, une interprétation du chanteur traditionnel Hausa, Ngurumu de Tawa. Voilà, chers auditeurs, après cette première balade en musique, je vous propose notre entretien avec Hajaratou Munkela Gomandokoy. Elle est styliste et décoratrice d'intérieur. Elle nous parle de sa passion pour l'entrepreneuriat et la formation des jeunes filles et les femmes en métier. Une interview réalisée par Samira Rouafi. On écoute. Bonjour Madame Hajara, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps. Alors, euh, ma première question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a motivé à initier des formations pour des femmes et des jeunes filles dans la région de Maradi Donc, euh, ce qui m'a motivé pour les formations des jeunes filles, c'est parce que personnellement, même je suis issue de la formation en métier. Voilà, après mon BPC, j'ai eu à faire trois ans de formation en métier de la mode au Kenya, couture, stylisme maroquinerie, etc. En tout cas, l'industrie de l'habillement au niveau du Kenya pendant trois ans. Donc, après mes études, je suis revenue à Niamey. J'ai fait un stage chez Alfadi de d'une année, je pense. Et après cela, je me suis mariée. J'ai ouvert mon propre atelier après et nous avons été affectés à Maradi où les gens voient ce que je faisais de moi-même et puis c'est parti de certains amis qui voulaient que je leur apprenne et tout et tout. Donc c'est un peu parti de là. J'ai commencé dans une tente, sous une tente chez moi. Et puis petit à petit, petit à petit, vraiment de fil en aiguille. Maintenant, ça fait près de dix ans que j'ai plus de dix ans même que je suis dedans. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir un centre et maintenant j'aspire à avoir mon propre local, Inch'Allah. Une fois à Maradi, j'ai vraiment ressenti le besoin de vouloir former les femmes. Parce que au travers de ce que je faisais, certaines appréciaient et puis me disaient qu'elles voulaient apprendre. Donc c'est de là que vraiment tout est parti. Et puis petit à petit, je me suis passionnée de cela. Hum, et la région de Maradi a vraiment besoin de cela parce qu'il y a beaucoup de manque de réelle formation. Bon, je dirais pas seulement la région de Maradi, mais un peu le Niger tout entier parce que très souvent les gens disent qu'ils font de la formation professionnelle, mais c'est pas vraiment professionnels parce que eux-mêmes ils sont pas issus de la formation professionnelle. Et puis souvent ils ne savent pas le faire de façon professionnelle. Je ne sais pas s'il y a eu une redondance. Parce qu'ils le font généralement, c'est des petites formations à la volette où après, la personne ne pourra pas vraiment utiliser ce métier-là pour s'en sortir. Donc, après les formations que je faisais chez moi, j'ai eu l'envie de reprendre les études parce que je voyais que après avoir formé ces dames-là, euh, juste on les laissait comme ça et elles ne pouvaient pas faire quelque chose réellement de ces formations-là. Donc c'est à travers ça que j'ai eu l'envie de reprendre mes études et j'ai repris les études, j'ai fait le bac, j'ai fait le BTS vraiment et avec l'envie de vouloir apprendre sur l'entrepreneuriat et tout. Donc j'ai fait un BTS en administration et gestion des organisations option PME. Et j'ai dû reprendre aussi le bac parce que c'était un bac professionnel et puis au niveau pour avoir un diplôme universitaire, il me fallait un bac normal comme ça. J'ai essayé de faire des équivalences, ça n'a pas marché, donc j'ai dû reprendre le bac. Et l'année-là, avec l'aide de Dieu et puis beaucoup de mes <laughs> efforts aussi, je précise que j'avais même 33 ans à l'époque. Et puis après, j'ai pu passer le BTS aussi que j'ai eu avec brio. Et aujourd'hui, j'essaie de coordonner les deux, apprendre un métier à ces dames-là et aussi leur apprendre comment entreprendre dans ce métier afin qu'elle ne puisse pas juste apprendre un métier, mais comment s'en sortir avec ce métier-là. Avant de continuer cet entretien, chers auditeurs, nous allons souffler en musique et s'assurer avec avec Nanaye du groupe For My People. Et je rentre à la profondeur des mots Des mots que ta voix semble entrelacer Et comme si avec tes mains tu les avais cachés Et comme si avec tes mains tu les avais dressés Avec ces mots je vais te parler de ma tradition Avec ces mots je vais te parler de mon milieu un milieu tradition, tout soit respecté Un milieu où la nature rime avec le paysage. Un milieu où les vieux sont construits comme des sages. Un milieu où chaque jour est une nouvelle page. Je te rappelle, ce texte c'est un appel. Je te rappelle, ces mots en des ailes. Et ça pour t'apporter ce message. Pour que tu comprennes qu'ici les langues s'additionnent. Pour que tu comprennes qu'ici les gens se pardonnent. Ah, ah ok. na le groupe For My People pour mon peuple a été créé en 2002 par deux frères Ismaël et Ousmane Adamou Abdoua, alias Papsti et Ousmane il a participé à plusieurs compétitions dans le pays, dont la Caravane de l'Espoir dans la région de Maradi aux côtés de Idi et de ZM. Au concours scène ouverte rap organisé par le CCFN et font partie des 12 premiers, ce qui leur a permis d'enregistrer leur premier single transformé. Toujours en 2007, le groupe représente Maradi au festival hip-hop FIMA organisé par l'association Fofo Anyami. En 2008, For My People participe au concours Nescafé africain Révélation à Maradi et atteint la finale à Niamey où ils décrocheront la troisième place. En 2009, le groupe For My People organise la première édition du festival hip-hop contre le travail des enfants en Maradi avec comme participants les groupes Safonda de Tilaberi, Wasaboy de Tawa et CM Man, Simen Pluto et Slim B du Nigeria. Viens voir, viens voir, Niger, pays du Sahel. Hein. chers auditeurs, après cette pause musicale, nous allons continuer avec l'entretien de Hajarot Munkela Gumandoko. Ici, elle nous explique les défis qu'elle a relevés pour aboutir à la création de son entreprise. Est-ce que mettre en place euh, ces formations a été facile Donc, euh, mettre en place euh, les formations n'a pas été facile. Ça a été un défi. Mais comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup et dont je suis passionnée, et dont je suis aussi issue. Et ça n'a pas été facile, ça a été des défis, des challenges et que j'ai pu relever. Donc, euh, bon, il y a eu des bons moments, il y a eu des mauvais moments. C'est compliqué souvent quand les gens ne veulent pas payer et tout et tout. Mais cette dernière année, on a vraiment eu l'appui de la et de l'ambassade américaine. On a pu s'équiper, on a pu avoir une bonne formation et on espère que ça va continuer, qu'on puisse vraiment, que, que cette aide-là puisse, ait été plutôt et un élan pour qu'on puisse maintenant vraiment prospérer dans ce que nous sommes en train de faire. Voilà, donc c'est un peu ça. On a pu avoir aussi l'appui de, la formation professionnelle l'État. À travers la Banque mondiale, on a pu avoir vraiment un lot de matériel qui va nous permettre aussi de donner de bonnes formations. Voilà. Et quels sont les types euh, de formations que vous donnez aux femmes et aux jeunes filles Donc, les différents types que nous donnons, c'est nous faisons des, formations en couture, maroquinerie et décoration d'intérieur, cosmétique, agroalimentaire, restauration, cuisine. Donc c'est un peu de ça. Mais c'est plus, nous voulons vraiment, une fois que nous allons avoir notre propre local et mettre l'accent sur les formations des métiers de la mode dont je suis issue bien sûr et que je maîtrise bien sûr. Voilà, tout ce qui est maroquinerie, couture, stylisme, bijouterie et autres. Donc les formations en plus, et comme j'ai aussi ma marque d'articles de cuir, donc c'est plus axé sur la maroquinerie et sur l'industrie de l'habillement. Voilà, c'est beaucoup plus axé sur ça. Cette année, nous avons fait un tronc commun nous avons formé près de 105 femmes et nous avons fait un peu de tout, transformation agroalimentaire, restauration, cuisine. Mais je mets beaucoup plus l'accent sur ce que je maîtrise, quoi. Bien que bon, nous faisons les formations sur un peu de tout ça parce que la demande y est. Mais nous, nous, nous essayons de vraiment mettre un accent sur l'excellence de la formation que nous donnons à ces jeunes femmes-là et qu'elles puissent vraiment et eh, bénéficier de cela et faire quelque chose, carrière même, pourquoi pas, dans cela. Après ces formations, est-ce qu'il y a des suivis pour voir comment ces femmes s'en sortent avec euh, l'expérience acquise Donc, euh, après ces formations, et vraiment, comme je vous le disais, c'était ça même euh, la raison principale pourquoi j'ai repris les études en entrepreneuriat. Donc, non seulement pendant la formation, nous avons des formations en entrepreneuriat et après, nous avons une boutique qui est dédiée aux élèves, qui est dédiée aux élèves. Et maintenant, par exemple, l'année prochaine, nous comptons faire ce qu'on appelle un co-working space. Genre, mettre à la disposition de ces élèves-là tout ce que nous avons comme matériel pour qu'ils puissent commencer à entreprendre jusqu'à ce qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Voilà. Donc c'est tout un système que j'aimerais mettre en place qui va permettre à l'apprenant de, de la base de la formation jusqu'à ce qu'il puisse devenir un entrepreneur lui-même. Est-ce que globalement vous êtes satisfaite Bon, globalement, je eh, je suis pas satisfaite au point où je n'ai je, je, pas encore atteint là où j'aimerais réellement être pour l'école. Mais je me dis que c'est des étapes. Et l'étape où j'en suis, vraiment, je peux en être fière et en être satisfaite. Mais ça reste encore à faire. Ça reste vraiment beaucoup à faire. Mais je suis à mes débuts et je sais que c'est des choses qui prennent du temps et petit à petit, je suis sûre que nous allons accomplir de grandes choses à travers cette école, impacter beaucoup plus de vie et vraiment améliorer les conditions de vie des jeunes, des femmes et impacter le pays, impacter son économie, ainsi de suite, quoi, à travers ce que nous faisons. Merci beaucoup, Hadjaratou Goumandakoye, pour nous avoir accordé cette interview. Chers auditeurs, nous sommes lundi et la rubrique hebdomadaire est consacrée aux questions de droit. Oui, Mira, aujourd'hui nous allons parler du droit à l'image encadré par les articles de droit et certaines jurisprudences. Il permet le respect de la vie privée des personnes physiques. Le juriste Abdulrazak Maazou euh, nous explique les conditions d'utilisation de l'image, les limites aux droits de l'image, à l'image plutôt, et les sanctions en cas d'atteinte au droit à l'image. Une interview accordée à Tarnan Foudé Ahmed. Le droit à l'image euh, désigne les droits dont dispose toute personne de s'opposer à la diffusion de son image sans son consentement. Mais euh, qu'est-ce que l'image mais direz-vous, très simplement, l'image désigne la représentation visuelle de la personne. Il s'agit de la représentation de ses traits, de sa physionomie, etc. Et le principe est que chaque personne bénéficie d'un monopole sur son image. chaque personne est donc libre d'accepter ou de refuser que son image soit utilisée, diffusée, publiée, etc. Dans quelles conditions une personne peut autoriser l'utilisation de son image Il faut eh, donc une autorisation pour utiliser ou pour diffuser l'image d'une personne. Et l'autorisation eh, d'utilisation de l'image d'une personne doit respecter certaines conditions. D'abord, l'autorisation peut être écrite, elle peut être orale, elle peut être tacite, elle peut également être expresse. Il n'y a pas de forme particulière à cet effet. Ensuite, euh, l'autorisation doit être donnée à titre gratuit ou à titre honoré. Ici, donc, euh, l'image peut faire l'objet de sessions, de contrat de session, et donc euh, être utilisée à des fins lucratives. En outre, l'autorisation doit être donnée dans le respect de la dignité de la personne et de l'entreprise. Et enfin, l'autorisation peut être limitée à un usage bien défini. Par exemple, un tel vous autorise à diffuser son image seulement dans un groupe Facebook, mais pas dans le groupe WhatsApp. Y a-t-il des limites au droit à l'image Le monopole conféré par le droit à l'usage à l'image comporte effectivement des limites. En effet, le droit à l'image doit se concilier avec le droit à l'information. La première limite concerne tout d'abord les personnes publiques. Ici, les droits à l'information impliquent que, dans certaines circonstances, les personnes célèbres perdent leur droit à l'image à raison de leur statut, par exemple les légendes de football, les hommes politiques, etc. La deuxième limite correspond à la captation de l'image dans un lieu public. Il est possible de diffuser une image captée dans un lieu public si cette image n'isole pas une personne facilement identifiable. Et la troisième limite concerne les événements historiques. En effet, le fait euh, d'être présent euh, à un événement historique ou un événement d'actualité implique d'accepter que son image soit utilisée à des fins d'illustration de l'événement en question. Et ici, la seule limite posée par la jurisprudence est que la diffusion de l'image soit dépourvue de recherche du sensationnel et de toute indécence et qu'ainsi elle ne porte pas atteinte à la dignité de la personne représentée. Donc de manière générale, une personne ne peut s'opposer à l'utilisation et à la diffusion de son image si eh, le public a intérêt légitime à être informé. Quelles sont les sanctions applicables en cas d'atteinte au droit à l'image les atteintes au droit à l'image sont sanctionnées. La jurisprudence prévoit des sanctions civiles le juge peut donc, euh, en cas d'atteinte au droit à l'image, euh, prononcer des dommages et intérêts au bénéfice de la victime d'atteinte à son droit à l'image. Le juge peut également prescrire toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte au droit à l'image, par exemple euh, la saisie, le séquestre, etc. Merci beaucoup au juriste Abdelgazak. Faisons une petite pause. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. De retour au studio Fanta, est-ce qu'on va pas souffler en musique Cette fois-ci, je propose le titre Karamota de Hassan Garba. On vous laisse kiffer. chanteur des années 70, dans ce titre, l'artiste rend un vivant hommage aux apprentis chauffeurs. L'artiste Hassan Garba faisait partie des tout premiers membres du groupe Carnaval de Maradi, l'ancienne génération bien sûr. Voilà, chers auditeurs, c'était Karamota de l'artiste Hassan Garba. Dans le Mira, on passe au reportage région du jour. Aujourd'hui, nous allons par, euh, faire un tour à pour parler de la mendicité. En effet, Fanta, au Niger, la mendicité prend des allures inquiétantes, notamment celle pratiquée par les enfants talibés. Ces enfants, euh, pour manger chaque jour, sont obligés de travailler ou de mendier dans les rues, exposés à tous les dangers. Nana Hadiza Hassan nous en dit plus dans ce reportage. Dans la ville de Dosso, de jeunes garçons tassent à la main sillonnent toute la journée les rues à la recherche de l'aumône. Des enfants souvent confiés par leur famille à des marabouts. Ils se retrouvent après dans la mendicité. Les avis divergent du côté des maîtres coraniques quant aux activités de leurs apprenants en dehors de l'école coranique. Les personnes témoins des conditions de vie de ces enfants talibés ne sont pas insensibles face à leur situation. Un père de famille juge utile l'implication davantage de l'autorité. Dès qu'on dit talibé, on voit la souffrance. Surtout pour les marabouts qui se promènent avec les enfants d'autrui, le minimum c'est apprendre un peu l'hygiène aux enfants. Vous êtes en train d'apprendre à des enfants le Coran. Et qui dit islam dit propreté. Il faut que l'État assez regardant sur comment les marabouts là gèrent les enfants. Face à la situation de ces enfants, la Direction régionale de la protection de l'enfant de Dosson multiplie les sensibilisations auprès des parents et maîtres coraniques. Ces enfants-là sont généralement exploités. Il y a certaines zones où on exige aux enfants d'amener des, des, tasses de céréales jour. Il y a des zones où les maîtres marabouts exigent de l'argent parce que parfois certains marabouts nous disent qu'ils vont faire facilement deux ans sans aucune nouvelle des parents. Les services de protection, généralement on fait des sensibilisations d'orientation avec les marabouts pour qu'on puisse les, les amener à comprendre sur les droits de l'enfant, sensibiliser les parents. Les talibés même, on les interroge. À l'occasion aussi des célébrations des événements spéciaux tels que la journée de l'enfant africain, on profite également pour évoquer le phénomène de talibé. Selon le chef division de la protection de l'enfant de Dosso, en 2020, plus de 1000 enfants talibés ont été pris en charge par ces services. Malheureusement, plusieurs autres sont dans les mêmes situations dans les pays voisins, nous a-t-il confié. C'était là ce sujet qui est toujours d'actualité que tu nous as rendu au studio Fanta. Oui, Mira, après ces reportages, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Studio voilà, chers auditeurs, à présent, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Guruza euh, Gourouza Karim. Bonjour Guruza. Bonjour Fanta, bonjour euh, Samy. Bonjour. Alors Guruza, ce week-end, c'était la Coupe nationale de football. Oui, la garde nationale a remporté la Dame Coupe devant la douane aux séances de tirs au but. C'était un match d'ailleurs euh, Fanta à la portée de la garde nationale qui a d'ailleurs confirmé sa suprématie cette année. L'équipe est leader de la Super League du Niger et vient d'arracher encore la Coupe nationale. Les Bérets Rouges risquent de faire un doublé cette année, Coupe plus championnat. Alors, euh, l'équipe U23 se retrouve au Maroc. Oui, Samy, euh, l'équipe nigérienne euh, séjourne depuis hier au Maroc pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations dans sa catégorie. Les joueurs ont un moral de fer et ont promis d'ailleurs de mouiller le maillot pour défendre les couleurs du Niger. Nous y reviendrons d'ailleurs en détail dans nos prochaines éditions. En attendant, les journalistes sportifs du Niger ont un nouveau bureau. Ah oui, l'élection a eu lieu dimanche et c'est Damana Abdoulaye et le nouveau président de l'Union des journalistes sportifs du Niger. Il remplace Mohamedou Djingare, le vice-président, et Ousmane Keita. Voilà pour le soir. Merci beaucoup, Gourouza. Merci. À présent, euh, Fanta, euh, on passe euh, au portrait du jour. Oui, Mira, aujourd'hui dans la rubrique portrait, Fadel Alou nous présente Seydou Abdou, un jeune handicapé locomoteur de Gaïa. Malgré sa situation, il a refusé de vivre dans la précarité et aujourd'hui, c'est avec l'artisanat qu'il gagne sa vie. Âgé de 30 ans, marié et père d'un garçon, Seydou Abdou est en situation de handicap depuis son enfance. Il a refusé la mendicité dans les rues. Pour cela, il est allé apprendre l'artisanat, notamment le tressage des chaises, la fabrication des lits et la soudure. Ah, zabbaran wo da ganda walakanci kan bugo yo gari ko dinga bona ra bo murado kulgate C'est la passion qui a conduit le jeune Sédou à s'intéresser à l'artisanat. Aujourd'hui, Seydou Abdou subvient à ses besoins grâce aux revenus de son savoir-faire. Il témoigne. Par manque de moyens pour ou créer leur propre atelier Plusieurs personnes en situation de handicap ou non sont encore sous la tutelle du chef de l'atelier, Issa Moussa Tondo, responsable du centre. Le jeune Seydou Abdou n'a qu'un objectif en tête, créer son entreprise et réunir autour de lui les jeunes en situation de handicap afin qu'ils tournent le dos à la mendicité et deviennent des forces de changement et de progrès. Merci Fadel pour ce beau reportage, une leçon de vie je dirais d'ailleurs même. Chers auditeurs, je vous propose une dernière balade musicale avec euh, le titre Anin une collaboration de Fatima Rico et Abdallah. collaboration de euh, Fatima Rico et de Abdallah. J'espère de tout cœur que vous avez kiffé comme nous dans ce studio. Alors maintenant, nous passons à notre rubrique Loti. Nous évoquons le sujet euh, des enlèvements des enfants dans les grandes villes. Oui, Mira, un phénomène qui inquiète de plus en plus les parents. On écoute Rekia Arimi et Rafika Attaher affairage, affairage, affairage, affairage. China China Mon non, Mais où es-tu Mais il est où ah, ah. Attends, je vais voir dehors. Hé, hey, Suleiman, viens. Tu n'as pas vu China J'ai vu un homme venu dans un grand véhicule entrer dans votre maison avec des sachets noirs à main et ressortir avec China. Ils sont partis dans cette direction. Un homme <laughs> <laughs> Mon Dieu, je suis foutue. Oui, oh Allah. Subhanallah. Bonjour voisine. Qu'est-ce qui se passe <laughs> Mais dis-moi ce qui se passe. Quelqu'un a volé mon enfant. <laughs> mon fils unique. Mon china. Mais comment ça quelqu'un a volé ton enfant Tu étais où J'étais chez Hajia Hawa, la présidente des femmes, pour accueillir la visite du président du parti Kamajiki. Donc j'ai laissé China devant la télé. Maintenant de retour, Suleiman me dit qu'un homme est venu le prendre dans une voiture. Je ne sais même pas de qui il s'agit. <laughs> Toi aussi, Hajara, tu es vraiment négligente. Comment est-ce que tu peux laisser un enfant de 5 ans seul de la maison et partir je ne sais où En cette période où on arrache des enfants au dos de leur mère, toi tu me dis que tu l'as laissé seul à la maison. <laughs> je suis morte. Que dois-je faire Donc je ne verrai plus mon enfant. <laughs> calme-toi, calme-toi. Avec l'aide de Dieu, on peut le retrouver, Inch'Allah. Mais comment Prends sa photo et allons au commissariat pour déclarer sa disparition. Mais à quoi ça sert de déclarer C'est juste les papiers. Ils pourront rien faire pour moi. Mais si, mais si, c'est très important. Ils mettront des patrouilles dans la ville et des contrôles aux frontières au cas où ces hommes essaient de sortir hors du pays avec l'enfant. N'oublie pas la chose la plus importante, hein, la religion. On va faire aussi appel à des marabouts pour la lecture du Coran aussi. Et Inch'Allah, China reviendra à la maison. Calme-toi. <laughs> ok, allons-y. J'ai ces photos dans mon portable. Hajia, voilà les véhicules qui est parti avec China. Alhamdulillah, mais c'est son oncle, les frères à son papa. Son oncle son papa ou prend garde d'eux. Et si c'était un voleur qui est parti avec China hum, Voisine, ça là, c'est une leçon. Jamais, plus jamais, je ne veux laisser mon enfant seul à la maison. Tu n'es pas la seule. Il y a aussi des femmes qui laissent leur enfant se balader dans les rues seules dans la journée, ou bien les envoyer chez le boutiquier du quartier en pleine nuit, ou voir un enfant de CICP ou CE1 qui revient de l'école seul. Imagine, ça c'est les exposer gratuitement. Tobarka, qu'Allah nous préserve. Amin, amin, ma chérie. Hey, tu es où Viens, je vais même te mettre au dos. Qu'est-ce que j'allais dire à ton papa <laughs> que tu étais partie chez Aja ou la présidente des femmes Kamajiki. Hey, voisine, tu veux qu'il me chasse de chez lui hmm. En plus, il ne veut même pas que j'ai fréquente cette femme. Voilà. <laughs> Eh, eh. Apparemment, il a raison. Toi, <laughs> Barka. Barka, Voilà, chers auditeurs, c'était le loti avec Rekia Arimi et Rafika Attaher. Samira, on passe à la culture linguistique, n'est-ce pas Exactement, Fanta. Nous sommes le 12 juin, journée mondiale contre le travail des enfants. C'est pourquoi Jackie euh, nous édifie sur ce sujet en français et en anglais. Bonjour Jackie. Hello, I hope you're well. Bonjour, j'espère que vous allez bien. En effet, le 12 juin, the 12th of June, et la journée mondiale contre le travail des enfants. L'idée étant que le travail des enfants enlève aux enfants la possibilité d'avoir une enfance normale et d'aller à l'école, et que cela peut également faire du mal physiquement et mentalement. Donc, en anglais, déjà, comment dit-on journée mondiale Bah, journée en anglais, c'est day. Day. Et mondial, c'est world. Donc journée mondiale, c'est World Day. World Day. Ensuite, contre, en anglais, c'est against. Against. Et le travail des enfants, child labor. Child, ça veut dire enfant, labor, ça veut dire travail. Child labor. Donc, pour récapituler, World Day against child labor. Selon l'ONU, according to the UN, depuis l'an 2000, since the year 2000, le monde a réalisé des progrès dans la réduction du travail des enfants. Donc, the world was making progress, progrès, in reducing child labor. Mais, but, ces dernières années, les conflits, les crises et la pandémie de Covid-19 ont plongé davantage de familles dans la pauvreté. En anglais, over the past few years, ces dernières années, conflicts, les conflits, crises, les crises, and the COVID-19 pandemic, la pandémie de Covid-19, plunged more families into poverty, ont plongé davantage de familles dans la pauvreté and this forced millions more children into child labor. Cela a contraint encore des millions d'enfants, millions of children, children c'est le pluriel de child, à se retrouver dans le travail des enfants. More children into child labor. Alors, il y avait beaucoup de mots là, donc je vais reprendre les mots clés. Est-ce que vous vous rappelez comment dire journée mondiale C'est World Day. World Day. Ensuite, contre, c'est against, against. Et le travail des enfants, c'est child, enfant, labor, travail. World Day Against Child Labor. That was today's English phrase. Merci beaucoup, Jackie. Euh, maintenant, euh, chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir euh, l'explication en anglais avec Jackie Dalton ou en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message au 82 89 89 64. Et justement, Mira, nous allons écouter le message de nos auditeurs. ni dai suna na ciroki kuma ina nan garin ciro zerin eh gaskiya abin da ke burge ni bisa studio karangu ba kamar shiri wannan nasu wanda suka kara daga onzer zuwa midi gaskiya muna jin daɗin shiri wannan da suka yi kuma suna tana mu da da suna yo waƙoƙin galgajiya da na zamani da tsahin waƙoƙi wanda suka huce wanda yara na yanzu ba su san suna na isufu abin da yake burge ni ga studio kalangu eh, abubuwan da suke sawa masu muhimmanci suna ba da tarihi eh, vraiment abu ne wanda yana kayatar da mutane studio kalangu wallahi shirin su iya burge ni wanda suka maido shi on zero tunda abin da yasa wani bai da damar sauraron shi da maraice amma yanzu da aka maido shi rana ka gani alhamdulillah ana sauraron shi sosai da sosai kuma shirin da suke sa na waƙoƙin gargajiya wallahi iya ƙayatar da mutane suna na Fatima gaskiya shirin sai yana burge ni musamman ma waƙoƙin da suke sawa da kuma wannan rubric lotikin nan tana matukar burge ni ƙayatar da mu suna Omar shi abin da ke burge ni da activity wannan na weekend kuma da shirin mata wannan da Voilà, chers auditeurs, avant de se dire au revoir, nous allons écouter les grands titres de la de l'édition de 17h, présentée par Nafisa Adam Sirfou. Bonjour Nafisa. Bonjour Fanta, bonjour Samira, Bonjour chers auditeurs et auditrices de Studio Kalangu. Pour les titres du journal de ce soir, environ 6000 cartons de cigarettes parfumées d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA ont été saisis à Dosso par les agents du ministère du Commerce et les forces de défense et de sécurité. Vous entendrez donc d'amples précisions dans nos auditions. Ensuite, le groupe de travail humanitaire lance la sonnette d'alarme sur les risques liés à l'insécurité alimentaire qui pourrait toucher environ 3 millions de Nigériens cette année. Le magazine, magazine Justice de ce lundi évoque les pénalités prévues en cas de proxénétisme ou excitation à la débauche. Enfin, le forum du jour parle de l'impact lié à la hausse du prix des hydrocarbures dans la région de Zender. Rendez-vous donc à 17h. Le rendez-vous est pris, Nafisa. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et Samira Amadou Rouafi. Exactement. À la technique, nous avons eu euh, Seini Isaka et Adam Dawaki à l'édition. Mais avant de se dire au revoir, on vous laisse avec euh, le son de Pampazo. On vous laisse kiffer.

ka ta yi ba